ولا زند حمده عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى لمحمد كما صليت على ابراهيم وعلى لإبراهيم وبارك على محمد وعلى لمحمد كما باركت على ابراهيم وعلى لإبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نتوسل اليك بما توسل به عبادك الصالحين وعوليائك المقربون أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمرة العلماء العاملين اللهم اجعلنا من الذين جاوزوا دار الظالمين آمين واستقوا من عين الهتمة وركبوا سفينة الفتنة آمين اللهم اجعل لنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا آمين وحتى تهمم قلوبهم في غاية التقى آمين. حتى أناخوا برياض النعيم آمين. وجنوا من ثمار رياض التسنيم وخاضوا لجة السرور آمين. وشربوا وشربوا بكأس الرحيق المختوم واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى محمد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 نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الجنة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا وأتيه لبات من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري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 Euh, au cours de laquelle, nous allons nous intéresser à un événement qui est en train de parcourir euh, toute la ville à travers les réseaux sociaux. Insolite. Cet événement que, vraiment insolite euh, qu'on n'a jamais vu encore et c'est de cela qu'il s'agit. Nous disons alors à nos auditeurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa et que pour les auditeurs qui sont intéressés et à cette émission et qui veulent intervenir, eh bien, ils sont libres de le faire à travers donc, le numéro de la télévision Tambara. Alors, comme je le dis frère Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam euh, Habituellement, notre, nous sommes animés cette table à trois, notre frère Mustafa est en mission d'Allah la campagne et nous qui sommes ici nous avons besoin de son assistance. Donc il nous faut encore assalamu alaikum. Wa Alors euh, euh, frère Abdel Fattah, quand moi j'ai regardé pour la première fois cette, euh, cette vidéo, n'est-ce pas Le contenant me laisse simplement croire qu'il s'agit d'une fête que des enfants un, euh, un, une, euh, euh, pièce théâtrale. Une pièce exactement, c'est bien le mot que je cherchais. C'est comme une pièce terre finalement. Mais il a fallu cet écrit qui explique de quoi il s'agit et on constate que le fond nous laisse voir une image insolite, comme tu veux la qualifier, d'un mariage qui a été célébré par des étudiants, par, des élèves. du lycée d'Ambascoré à Maradi, ville connue aujourd'hui en tout cas pour son islamisation, l'une des villes les plus voilées du monde, très rare. Vous verrez une femme en Maradi qui n'est pas voilée. Et aujourd'hui, avec euh, euh, le foisonnement des macarantas, à euh, en tu n'as même pas besoin de prendre ton enfant pour l'inscrire à une macaranta. C'est ces pépins qui vont venir le traîner le matin et c'est devenu. voilà un endroit où on pense que l'islam. Et bien Et nous savons que les efforts que font les éléments dans le cadre de cette sensibilisation, dans le cadre de, cet apprentissage, de ces, il y a beaucoup de, de euh, euh, pour les femmes et également pour les étudiants. Bref, on est un peu surpris de voir que ces choses-là se passent à Maradi. Et cette chose, comme tu dis, euh, que nous qualifions vraiment de très insolite, et ne peut pas ne pas interpeller les consciences de tout un chacun frère Abdel Fattah, qu'est-ce que cette petite introduction te laisse euh, Alhamdulillah Rabbil Alameen, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqeen. Certes, des efforts ont été faits dans le domaine donc, euh, de la, sensibilisation. sensibilisation. C'est pour nous dire que reste encore à faire. Tout à fait. Tout à fait. Des efforts ont été faits. Mhm. C'est indéniable. Mais il reste encore à faire. Cette scène à laquelle on a assisté, mhm. c'est pour nous dire que ce que nous sommes en train de voir présentement, mhm. quand nous allons mourir, c'est ce qui va se passer. Donc c'est un avertissement. Tout à fait. Tout à fait. Tout, celui qui veut finir bien mhm. et qu'après sa mort, mhm. qu'on ne vive pas encore euh, Normalement avec ce qu'il a avec euh, mhm. tout, ce qu'il a eu à faire donc, il y a, encore quelque chose à faire et dans cette affaire c'est une responsabilité globale la moins islamique à ses torts. Les parents ont leur tort. Un peu partout. Les responsabilités doivent être situées. Fils de l'Illah, tel que nous sommes au Niger, Intelligents. nous avons notre religion qui est l'islam, nous avons nos éléments nous avons nos intellectuels. Et nos institutions. Nous avons nos institutions. Mm-hmm. Est-ce que nous, on n'est pas capable mm-hmm. d'utiliser tout ça De rédiger mm-hmm. des textes conformes à, nos réalités Si, on peut bien. Nous sommes là quand des prêcheurs viennent ici mhm. au vu, au su de tout un chacun, mhm. dans les médias. Mhm. Librement, ils disent ce qu'ils veulent. Contre nos religions, contre notre religion, contre le leurs, et on reste les bras croisés, on laisse faire. Donc, on a sensibilisé. Maintenant, ce qui vient de se passer là est un ras de bol pour les jeunes voyez La morale islamique nous dit quatre choses sont indispensables dans la vie de l'homme. Quatre choses. Quatre choses sont indispensables dans la vie. Ce n'est même pas seulement de l'homme, de tout un être. Manger, boire, dormir et la circulation des énergies. On a faim. Il faut qu'on mange. Mm. On a soif. Il faut qu'on Et il faut qu'on boive. Mm-hmm. On a sommeil mm-hmm. et il faut dormir. Mm-hmm. Donc quand le besoin sexuel aussi se fait sentir, qu'on ne peut pas trouver la solution ailleurs qu'auprès d'un partenaire ou d'une partenaire. Et aujourd'hui, on vient de vouloir refuser légalement ce que l'islam nous permet. Mm-hmm. Mm-hmm. Dire que hein, mm-hmm. eh, quand la fille ou le garçon est à l'école, il ne doit pas se marier. Est-ce que quelqu'un peut l'empêcher de ne pas avoir de relation sexuelle Bien sûr que non. Nulle part ailleurs. Bien sûr que non. À maintenir la jeune fille à l'école. Même si elle a besoin de garçons, on empêche le mariage, mais on lui, on lui ouvre grandement la porte de, la débauche. Est-ce que cela est acceptable Est-ce que cela est raisonnable Mais c'est ça auquel nous sommes confrontés. Les enfants veulent se marier. Et on dit non, non, vous ne devez pas vous marier parce que vous êtes, vous, êtes à l'école. Mhm, mhm. moi, dans cette mhm. affaire-là, ce que moi, je vois, on doit les aider parce que l'amour est une épreuve. Et quand on aime, quand le cœur aime, le corps se soumet. Quand vous aimez, vous êtes éprouvé. Et quand vous aimez, vous ne, pas, vous ne pouvez pas ne pas obéir à l'ordre de celui que vous aimez. Et c'est de cela qu'il s'agit. Si ces enfants-là, ils, ils, jouent, ils blaguent, ils ont fait ça, c'est parce que c'est contenu dans leur cœur. Parce que même dans nos langages, il est dit que quand, en blaguant, quelqu'un vous dit que je vous aime, c'est qu'il dit vrai. Et si par ailleurs, il dit que moi je vous hais, c'est aussi vrai. Vous le sentez Mais oui. Donc il n'y a pas de blague dans cette affaire-là. Ces enfants-là s'aiment. Il faut créer les conditions. Il faut les aider. Moi, c'est une proposition que je fais. Ça ne peut pas être juste. Alors, comme tu disais, effectivement, euh, on constate qu'un euh, travail énorme a été abattu depuis en tout cas la libération des consciences. Je vais faire allusion ici à la possibilité que les associations étaient été libres de ces Les libertés d'expression. Voilà, on a libéré les, expressions, on a créé des associations islamiques. Nos éléments ont abattu un travail extraordinaire et c'est pourquoi nous pourrons aujourd'hui dire, sans crainte d'être contredits, que le Niger dans la sous-région est le pays où la femme a pris conscience, en tout cas, de son islamité. Or, on a tendance souvent à dire que la femme, c'est le thermomètre de la société. Une fois que la femme agit dans les meilleurs mœurs, eh bien, l'homme fera attention à ce qu'il fera. Donc, ce travail a été abattu au point de voir aujourd'hui que la femme a compris euh, euh, la nécessité pour elle d'apprendre sa religion. C'est aux hommes aujourd'hui aussi de faire le constat où il est clair que les hommes de leur côté ont fait des, efforts afin de s'accommoder euh, au commandement d'Allah subhanahu wa Mais comme tu dis, beaucoup de choses restent à faire. Et il, il est temps aujourd'hui qu'on oriente nos axes de prêche. Parce qu'on a toujours, on avait prêché aujourd'hui sur la prière, sur le rage, sur le... Il est temps qu'on rentre à l'intérieur de la société et voir quels sont les problèmes, les analyser, les, leur, proposer des solutions islamiques. Car le mariage c'est codifié en islam. Pour définir le mariage, je dirais tout simplement qu'il peut se définir comme un contrat d'une union légale illicite, Je dis bien légal et illicite au vu de tous les textes chariatiques entre deux personnes de sexe opposé. Parce qu'aujourd'hui, à propos de ce mariage, un débat est autour. Certains disent que, ah oui, mais le mariage, puisqu'ils s'aiment, ils ont célébré le mariage, et le mariage, c'est très sérieux c'est vraiment très sourire qu'on ne peut pas le laisser à, des enfants. Donc je dis qu'il est, légal parce qu'il faudrait qu'on constate à l'intérieur d'un contrat de mariage l'observation de tout ce que la charia a dit. Je dis licite aussi, il faudrait que dans, dans, ce mariage, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas qui une, une, une c'est-à-dire une interdiction. Parce qu'il y a des maris, il y a des femmes qui ne sont pas autorisées à marier, et il y a des hommes que les femmes également ne sont pas autorisées à marier. Donc c'est tout cela qui pourrait constituer un mariage. Et le mariage, il n'est valable qu'avec un certain nombre de conditions. Qu'il ait une dot qu'il ait un wakili, un wali, et deux témoins suffisent. C'est par wali, on entend donc c'est lui qui a le droit, l'autorité de donner, d'autoriser de, donc le mariage. Ça peut être en premier lieu le père de la fille, ou son oncle, ou en tout cas quelqu'un qui, qui, a été délégué par une autorité familiale. Quant eh bien, c'est celui-là qui représente le jeune marié. La, la, logique pourrait que le jeune marié assiste à son mariage, parce qu'on prend des engagements à son nom. Et ça, c'est la responsabilité de Wali, qui de toutes les façons, c'est responsable. Les engagements qu'on a pris au nom de Wali ne lui ont jamais été retransmis. C'est pourquoi le plus souvent, on, prend des engagements, vous allez la nourrir, etc., l'entretenir, mais allez-y, dans les institutions, vous verrez combien les divorces sont, sont inquiétants. Euh, euh, donc, c'est dire que cette affaire, tu parlais tantôt de la responsabilité des, parents. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme je le disais, les parents, eux aussi, quelque part, ils ont pris conscience de cette responsabilité. Dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut dire que les parents avaient été consultés par les enfants et qu'ils ont refusé Nous ne le savons pas. Mais si le constat qu'on a fait, c'est qu'aussitôt informé, on apprend que le père est tombé complètement en syncope Peut-être qu'il est le, problème dans cette affaire-là, comment est-ce que nous sommes arrivés à, telle situation C'est ça le, gros problème, c'est ça. <laughs> Je vous ai dit qu'on a laissé des gens. <laughs> venir sensibiliser, venir prêcher à la radio, à la télé. <laughs> Ah non, la fille ne va pas se marier à tel moment, jusqu'à tel moment, le, la fille, le garçon, c'est ça c'est ce tapage-là <laughs> qui nous a amené à cela. Jusqu'à dire que eh, eh, un père qui ose marier sa fille avant, eh, en ne respectant pas leur loi à risquerait de se voir emprisonné. C'est vrai, il y a des textes comme ça qui ont circulé à un moment donné, mais je pense qu'il y a une évolution à la matière. J'arrive, moi une fois quand ils ont dit ça, mhm. j'étais à un débat pareil. Mhm. J'ai dit, si vous emprisonner un père pour avoir donné sa fille en mariage. Et celui-là qui a laissé sa fille tomber en grossesse illégale. Que feriez-vous de celui-là Rien. Je n'ai pas eu de réponse. Bien sûr, il n'y a pas de réponse. Alors l'un de l'autre, c'est toujours la responsabilité. Il y a, il y a non, en dehors du père, je vous ai dit que au niveau supérieur, nous sommes une entité, nous sommes une république. Pourquoi des gens vont venir nous dicter des lois Nous ne sommes pas assez intelligents. Mais voilà, le problème c'est ça. Donc euh, en fait, tu condamnes euh, ces lois et on a condamné en son temps de toutes les façons. Et c'est pourquoi beaucoup de textes d'ailleurs n'ont pas passé dans la mesure où ces textes ne tiennent pas compte de la de du contexte nigérien qui est un contexte qu'on le veut ou non musulman. Malgré leur condamnation, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui véhiculent encore ces messages-là jusqu'aujourd'hui eh, et ces messages-là ont eu des impacts sur la vie de ces enfants et ça a eu un impact sur la vie des parents. Aujourd'hui, il y a des parents qui tiennent mort de plus à ce que leurs filles finissent les études avant de se marier. Mais ce qui va se passer en dessous, qui va supporter Alors, on a quelqu'un, oui, allô Oui, allô Oui, alaikum. Vous êtes à Non. Qui c'est à l'appareil oui, donc bon, je suis le débat là, vraiment je voulais participer un peu au débat là. Machallah, vous êtes les bienvenus. Mahmoud, je m'appelle Mahmoud. Machallah, non. Allô Oui, eh, allô, tu veux aller Oui, donc euh, par rapport au... Bon, alors que Grand Marabout là, un bleu qui disait qu'on les nous impose ou bien euh, on nous impose... Euh, je suis d'accord parfaitement avec ce que tu dis, n'ai pas dit non. Mm -hmm. Mais seulement, le problème là, il faut le tourner en arrière. Notre pays a bien avant ce texte-là. On a quoi avant Est-ce qu'on a ces idées pour que des enfants se marient Est-ce que ça, ça, ça existe dans notre commerce pas du tout. Il ne faut pas que la tête de l'État, moi je n'ai pas, je suis pas. C'est eux les parents, ils sont à la base de tout ça. Mhm. Et le fait de marier les gens à, à un bas mais ces enfants-là, vous voyez que si on les marie, à ah, c'est ça la main le nouveau est immédiatement. Ne pensez pas que vous, vous, vous ah, Mais les ça là. D'abord, non, du côté de l'homme. Si vous le mariez, d'abord, même chez son père, la où il ne même pas à manger. Mhm. Tout à fait. Et cette fille-là, je vous le dis, que les enfants-là que vous là, vous dites qu'il y a bon de, marier, marier. Je vous le vous le de tout que, C'est Ce mariage-là, vraiment, c'est ne pouvons pas nos parents. mal Car mhm. il faut qu'on soit mal éduqué. D'abord, même la fille, elle est mal éduquée, l'enfant est mal éduqué. Mhm. Inforcomos que era difícil abrir su cuerpo para el voleibol de algo que más que tiene parte para ir. ¿Tú la puedes para? ¿Ah? ¿Tú la puedes para? ¿Qué es esto? No te pensamos en esta cena. No está el contrato de Pablo en el pastor a los que no se mara por la prueba y se me mara para. Él no para. Entonces, ¿qué es esto? Mm -hmm. Je ne pas le droit. Je pas d'accord. On tape le pas aller consulter, tu vas aller taper le, le, le professeur. Mm -hmm. Mais tu es sûr, le professeur. Mm -hmm. Comment ces enfants vont écouter un professeur mm -hmm. Et moi, si vous voulez faire que je ne vous jamais écouter, moi, je ne suis pas pour l'État, je ne suis pas pour. Mais je sais que l'État peut-être euh, t'apprendre de responsabilité. Regardez le regarder de l'État, c'est quoi Ces enfants-là, on doit le conduire très fort de tabaser jusqu'à mentir vos leurs parents. Moi, c'est ça que je voulais qu'ils tabassent. Mhm. Pour ne pas que demain, ils ne vont pas qu'il n'y ait pas dans cette région, dans tout le régime qu'on ne prenne cette idée-là. Voilà, ça, c'est fâché. Donc, mhm. vous avez dit que petit voyou comme ça à l'école, moi, je n'ai pas dit que je le plus que les autres parents. Mais vraiment, moi, je le que oui le jour, je m'excuse, maître, mais vraiment, vous bon votre débat, voilà, il faut retourner en arrière. Il faut, euh, il faut vraiment que vous appelez aux parents, à nos parents, que vraiment ils sont en train de mal éduquer leurs enfants. Non. Ne pas en arrière encore. Non. Les enfants sont mal éduqués quand ils sont mal éduqués. Non. Je vous, euh, je vous en remercie euh, vraiment du courage. Merci beaucoup, merci de votre intervention. C'est vrai, on a un peu capté quelques-unes de ces idées. Et on constate que pour lui, la faute encore toujours aux parents. Mais nous l'avions dit tout à l'heure que les parents, quand même, ils ont de leur côté. Allô, nous avons quelqu'un Bonjour, salam alaikum. Vous êtes le bienvenu. On vous écoute. Je suis en train de vous appeler de Difa. De Difa Allô Allô Allô Allô, on vous écoute alors ah oui, je vous appelle de Difa. Ah oui, vous êtes de bienvenus. Bismillah. C'est qui, s'il vous plaît Ok, veuillez m'excuser, chef. Mais écoutez, oui, vous avez le temps, vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Allô ah, je crois que la communication, bien sûr. Oui, alors. J'ai appris le débat en cours. Oui oui Oui. il est parti. Euh, je crois qu'il veut savoir de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit de cette vidéo qui est en train de circuler dans les réseaux où on voit des petits, des, étudiants, en tout cas des, élèves du lycée euh, euh à Maradi, de première, qui ont organisé euh, alors à leur leur esprit un vrai mariage euh, entre deux étudiants. Donc ils se sont arrangés, deux élèves, au oh delà euh, ils, euh, ils ont trouvé un marabout, ils ont trouvé un, un et un wali, donc ils ont célébré le, mariage et c'est cette, refit cette cérémonie de joie que, le, que, nous verrons dans, dans, la, dans la vidéo. Donc c'est de, ça qu'il s'agit. Il faudrait que si vous avez donc quelque chose à dire, vous rappelez. Salam alaikum. Allô Allô, Allô ah il est parti. Alors, il parlait de la responsabilité des parents et qu'il disait même qu'il y a lieu de, de châtier les parents et <laughs> les enfants. je pense que euh, c'est un peu trop, mais il faut reconnaître quand même qu'un travail a été fait. Regardez, hein, quand je vois la ville de Miami dans les années. cest à que euh, moi, ce que je veux dire par le Coran nous dit Tout à fait. Que on ne peut pas d'abord châtier ou bien punir jusqu'à ce qu'on avertisse. Mm. Il faut sensibiliser. Mm-hmm. Voilà, il faudrait voir dans nos traditions, il y a un africain qui dit que. Allô Allô ben, Je crois qu'il est parti. Ah, le problème de communication, ça arrive. Mhm. Alors, tu disais Oui, quand l'enfant coupe un arbre dans la forêt, mhm. c'est le sage qui sait de quel côté se arbre la va mhm. Ces enfants-là, ils ont agi selon leur intelligence, selon leur milieu. Le niveau de leur intelligence. voilà, c'est comme ça. Mais ce qui les a poussés agir de cette façon C'est parce qu'au fond, ils ont, euh, ils ont ce sentiment de voleur sur ce matin. De voleur Bonjour. Bien que je n'ai pas vu le devis donc, de cet échange, oui. si possible, vous avez accès comme euh, un rappel oui. de ce qui s'est passé entre mes deux élèves. Oui oui, alors euh, il s'agit de cette euh, vidéo qui circule aujourd'hui un peu partout où on voit des, des, des, étudiants, n'est-ce pas, célébrer, célébrer un mariage cest à se sont entendus dans une école pour trouver un, un, imam et deux témoins, en fait des témoins, et quelqu'un a servi d'imam pour célébrer un mariage entre, entre deux, d'entre eux, et une doute de 2000 francs. Alors c'est cette vidéo-là qui circule. En fait, les, les, ils sont sérieux. Ce pas, pas une pièce de théâtre et ils sont sûrs pour eux le mariage est censé être un mariage à consommer, donc un mariage légal, un mariage licite, et c'est justement ce qui fait débat aujourd'hui autour de cette vidéo-là. Certains de le mariage Ils n'ont pas l'autorisation de ça. En tout cas, on ne l'a pas. La preuve, le père, une fois qu'il a appris ça, il est tombé en 50. Oui. Parce que, le père, dans le cas d'espèce, nous n'avons pas d'informations de, si les parents étaient informés pour que les enfants s'obstinent à vouloir le faire. Euh, mais comme Abdel Fattah dit, donc si tel n'est pas le cas, c'est que les enfants ont spontanément voulu se marier, ils s'imaginent qu'ils sont libres de le faire. Euh, et ils ne sont pas justement dans les conditions euh, qu'ils ont mené ce, mariage. Le mariage ne peut pas être valide. Alors on est en train de savoir euh, pourquoi sommes-nous arrivés à cela Parce que c'est insolite, on n'a jamais connu cela. C'est qu'on s'est dit aujourd'hui peut-être qu'avec tout ce qui nous vient de l'extérieur en matière, il a parlé tantôt des, des éléments qui qui se sont à un moment donné attachés au sujet, à, la thématique, mais également nous avons aujourd'hui, nous sommes envahis par des, par des films qui, à un moment donné, euh, pourraient permettre à nos enfants de, de s'approcher et de copier ce qu'ils ont vu dans les films ou dans, dans, les, dans, ou, ce qui leur a été, en, tout cas, inculqué par, par, par, par, par certains C'est En fait, c'est cela euh, dont nous sommes en train aujourd'hui de Vous voyez, il y a aussi ce refus des parents de vouloir marier leur fille alors qu'il y a plusieurs prétendants. Mhm. Dire que mordicus, il faut que tu finisses tes études. Mhm. Est-ce que ce besoin sexuel peut attendre jusqu'à ce que la personne finisse ses études Non, il n'y a pas de garantie, mais peut-être ça pourrait être une option. Euh, peut-être les parents ont, ont, un objectif, parce que laisser sa fille aussi aller à l'étude, ce n'est pas mauvais que ça également. Dans le cadre de la recherche de, du savoir, aujourd'hui, nous voyons que euh, aller à l'école n'est pas signe de, de débauche, pas du tout. Ou rester sans mari une fois qu'une éducation bonne a été faite, parce que c'est de cela encore qu'il s'agit. Est-ce que nous éduquons Est-ce que les parents euh, parlent entre eux, avec eux, leurs enfants Parce qu'il ne suffit pas seulement de laisser l'enfant écouter des prêches à la radio ou à la télé. Justement, ça pourrait être souvent positif comme négatif, mais il faudrait que dans la responsabilité qui incombe aux parents, qu'on se permette de, discuter souvent mère, fille, fils, euh, père, etc., afin qu'ensemble, nous construisons des grands enfants qui sont responsables. Et, et N'oublions pas, le Coran a dit L'homme se connaît mieux que quiconque. Tout à fait, tout à fait. Votre fille est à l'école. Mhm. Elle vient vous dire que j'ai un prétendant que j'aime. Mhm. Je vais me marier et continuer mes études. Mhm. Et vous, vous refusez. Oui, ça, le débat a été fait à un moment donné. Et on aurait souhaité que l'État autorise ce genre de mariage qui, de toutes les façons, ne peut faire obstruction à, l'éducation de la jeune fille. C'est là où on cherchera à ce que l'État, je crois que ce problème a été, à un moment donné, en tout cas, il a été envisagé, je ne sais pas à quel point euh, aujourd'hui nous y sommes, si peut-être nos enseignants pourraient nous donner beaucoup plus. Mais à un moment donné, le, problème a été Oui, ben, alors, salam alaikum. zai shi tambara ما يزيد لي بيان السلام عليكم شي كيس المبلغ السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله محمد والد محمد والد يزيد لي بيان بسم الله الو وي بسم الله ام زكوت Voilà. Et en fait, les enfants, là, ils ont reçu une mauvaise éducation. Dame. Sinon, en tant qu'étudiants, ils voient comment le mariage se déroule dans leur milieu. Tout à fait. Un mariage, ça intéresse toute une famille. Mm-hmm. Donc, euh, un, un eux ne peut pas se mettre dans un coin et dire qu'ils vont se marier. Ça, ce n'est pas encouragé. Mm-hmm. Mm. Maintenant, le seul enseignement qu'on peut tirer dans leur acte, uh-huh. c'est les 2000 francs qu'ils ont donnés sur les droits de mariage. D'abord, une dette de 2000 francs, ce n'est pas valable. Voilà, ça veut dire que le mariage est très cher, donc il faut voir le prix. C'est le seul enseignement qu'on peut tirer. Uh-huh. Sinon, ils ont très mal agi. Uh-huh. C'est pas ce qu'ils ont fait. Oui, vous avez raison. Ça, vous avez fini Merci de votre participation. C'est vrai, 2 francs, ça ne peut pas constituer une dette. Oui, Ah, il est parti. Alors, il parlait de la dette, bien sûr. Euh, si on doit rentrer dans le contenu du document, euh, une dette de 2 francs ne peut pas couvrir euh, une réelle dette. si la dot n'a pas de limite en haut, en bas, elle a une limite qui correspond à un. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Puis-je parler à langue nationale Ben oui, allez-y. Merci. Oh, eh, wa alaikum salam. Ya gajiya ya aiki ya ibada. Alhamdulillah. Wa Allah ya Amin. lalu ya, mu sai dai addu'a. to masha Allah eh Allah ubangiji ya shirya mana amin eh ni dai a nawa nan tsaye to kamata yaran nan uwayen su bibi juna na'am to kullu su na'am suna iya daga bayan hannu su koma na'am su ne a cikin su ne wannan ya take na'am eh a cikin su ne sai ya take na'am ina a kullu musu arma na'am a bar su a dan taimaka musu kamin shi mishi ya samu ya samu jike shi na'am eh sun sa abin da yake ciki na'am ta kike aiki ne mai sauki eh ba su san ba ibada ne da sai mai kokari to ta fa eh Allah ya shirya mana zuri'a amin amin Allah ya sa mu dace amin amin assalamu alaikum wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh amin gode alors voilà une idée qu'elle découvre à travers ça elle pense que les parents maintenant doivent prendre les sirop, les oh, aider à se marier. Et ce à ce que. Voilà, moi-même c'est mon idée. Mhm. On les marie. Mm Maintenant officiellement. J'arrive officiellement. Quitte à ce que la fille soit chez ses parents, mhm. le garçon chez ses, parents, et que ceux-là mhm. et se, se, charge de, de, de, tout ce qui est côté financier. Si par ailleurs, ces gens-là euh, à, n'importe quelle occasion, il, se rencontre mhm. et qu'il y ait grossesse ou quoi que ce soit. voilà, <laughs> voilà. Et chacun étant chez lui peut continuer ses études. Donc en fait, ton problème, c'est pourquoi empêcher aux, étudiants. C'est le fait de, de, euh, complètement. Hein. Complètement dire que bon voilà, quand tu es à l'école, tu ne vas pas te marier jusqu'à ce que tu finisses. La crainte euh, qu'on a aussi de ces grossesses, là encore, je reviens au travail abattu des oulémas. Quand nous prenons euh, aujourd'hui la ville de Niamey, que nous connaissons depuis 70, 80 et depuis 90 d'ailleurs, on constate que... Dans... Oui, salam alaikum. salam. Oui. वही से टम्बरा किसी अलापाराई محمد محمد بسي ده من تسي طول زن تربوي سفل امد محمد ما شاء الله نزل له بيقول السلام عليكم كان دي بلا ماري ما يخرك ايجو ده يري اه ويس انجو ده يري بس كيف ما كريان بريسيدا وي Donc tous les élèves là qui veulent se marier vont se marier à l'école avec 2000 francs. Voilà. Oui, mais, eh, eh, lui, il propose vraiment de les marier légalement, parce que ce mariage n'est pas valide, bien sûr. C'est pas, bon. 2000 francs. Il faut le décourager. C'est en faisant quoi même si vous les mariez légalement, d'autres vous le même chemin et on va les marier légalement. le mariage n'aura plus sa valeur. Non, mais si, c'est légal, le mariage aura sa valeur. Mais dans les conditions où ce mariage a eu lieu, les, parents vont Donc vous, n'êtes pas pour qu'on Ce pas un mariage. Dès les gens que les parents ne sont pas présents, ce n'est pas un mariage. Oui, nous sommes d'accord. c'est déjà évacué. Mais maintenant, on propose aux parents de ces deux enfants de faire en sorte qu'ils célèbrent maintenant légalement et licitement le mariage. Allô Donc, hey, Amir. Tous ah. les enfants là qui sont dans l'établissement là, donc pour ah, pour vous, ça risque de créer un précédent ou un précédent qui va permettre maintenant désormais aux enfants de se marier ou de chercher à se marier comme ça. J'ai vu dans un document, dans un pays africain, Voilà. Comme Donc, c'est pourquoi moi je crois que ce mariage là, ils sont et il faut les décourager. Voilà. En, en, en, en refusant de les marier. Allô Allô Voilà. Voilà. En refusant de les marier. Voilà. Voilà. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le, le, le droit de se mettre. Ils n'ont pas mmh. Maintenant, si vous voulez vraiment les marier, il faut qu'on fasse les démarches. Oui, on, fait le mariage. Les parents du monsieur vont chez les parents de la dame faire les démarches normales. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne l'ai pas entendu. C'est-à-dire si on propose le mariage, ça doit être légal, normal. Les deux parents doivent les conditions qu'il faut. Les aider à se marier dans les bonnes conditions. Acceptable par la chaleur. C'est ce que je dis. un peu En tout cas, moi, je crains que ça crée un président. Vraiment, ça, c'est. Il faut, faire beaucoup de Non, non, vous savez, c'est votre point de vue, c'est tout à fait normal. C'est plus ou moins une table de débat. Chacun exprime ses opinions. Tout à fait. C'est tel que l'on dit, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. <laughs> C'est normal. Ah, ah. Ça, c'est votre euh, point de vue et puis nous le respectons. Voilà. Donc, euh, je disais, j'ai lu dans un document récemment dans un pays africain. Moi, je parle le process même désiré à l'école. Mm-hmm. D'octobre 2019. Il y a plus de 2000. Bah, <laughs> je ça. Oh, voilà. On a recensé plus de 2000 procès. Je ça. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire à ça là Je ça. Bien que ce n'est pas l'exemple du Niger, une fois encore. Oui, ce n'est pas, au Niger, c'est ailleurs que ça été fait. comment faudrait-il laisser faire même ici, combien, combien sont les filles qui sont en grossesse peut-être dont on a fait avortement et autres, et vice versa. Oui, oui. C'est qui à l'appareil Mohamed, Mohamed, encore un autre Mohamed, décidément, alhamdulillah. Oui, bismillah. Oui, on vous écoute. Inch'Allah moi, eh, Alhamdulillah, comme vous êtes des marabouts, vous êtes là. Il y a des marabouts qui disent qu'il y a des conditions à remplir pour faire le mariage. Et que les enfants pas rempli les conditions Ils ne l'ont pas rempli. Ils n'ont pas rempli ces conditions-là. Les conditions, moi je vois que papa, c'est même pas bon de, de proposer des choses qui n'est pas avec notre religion. Oui. si nos auditeurs euh, peuvent nous comprendre. mais excusez, papa, moi ce que en train de voir maintenant, notre problème, c'est les marabouts et les enseignants. comment que nous, les musulmans, pouvons nous enseigner à comment faire les, comment faire le rapports sexuels, comment on va enseigner les enfants à faire les rapports sexuels. Autant que même les animaux ne les appellent pas, ils l'appellent ça. Bien sûr, ça c'est l'état qu'on est en train de décrire, euh, qu'on constate aujourd'hui. niveau de je suis en train de voir, ça là vraiment c'est quelque chose que les marabouts, que les marabouts qui vont, qui vont se lever pour parler de ça. Parce que eux, ils connaissent tout, vraiment, à l'entraînement du peut là, maintenant ils ont inséré les trucs là pour les faire, recommencer,

zo a kuɗi haka inda ba wasu ko wallahi Allah zai tambaye su kwarai Masha Allah, merci, merci du conseil. Idan gaza a tashi bai kai da dama, riga ya mai kuɗi kamar da malamai suka zai kai. da ci da sha da tufafi da wane ne da wane ne akwai cika cikin guda biyar. Duk wani da cika su guda biyar ba ana neman a ce auren nan a haɗa su ya je zama hanya ya halatta. kuma ko malamai da za Les conditions de validité d'un mariage, c'est la dot, <coughs> wakili, wali et des témoins. Mais nous ne nous attardons pas sur la validité du mariage. Ça là, c'est un faux débat. Qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation C'est sur ça seulement qu'il faut voir. mais le sentiment, on ne peut pas canaliser le sentiment. Quelle que soit la situation, les enfants arrivés à un certain âge, ils auront ce sentiment. Donc la responsabilité des parents, c'est de faire en sorte comment euh, euh, euh, les amener à gérer ce sentiment. Voilà, c'est la solution à ce problème-là. solution est, Au niveau étatique, mhm. quelle est aussi la responsabilité de l'État L'État, ah, ah. l'État jusque-là, à un moment donné, il est débat. Oh, il est dit dans une loi que si vous mariez votre fils ici, on va vous emprisonner. À ce jour, je n'ai pas connu un exemple. Il se peut qu'il y en ait. Il se peut qu'il y en ait. Donc il y a des textes. Mais les textes, une fois arrivés, même euh, euh, internationalement approuvés, une fois arrivés au Niger, ils rencontrent la réalité de l'islam au Niger. Donc les textes, n'est pas parce qu'on les a, adoptés qu'on les a appliqués. Jusque-là, je n'ai pas entendu un père ou un jugement qui a été, n'est-ce pas, amené à la justice pour avoir marié sa fille à tel ou tel âge. Je pense que ce débat-là est très, très pointu. L'État doit faire attention, mais la responsabilité des parents, elle doit être démise. Je disais tout à l'heure le travail abattu par les ulémas. Ceux qui ont connu les années, ici, 70, 80, 90, ont rencontré beaucoup de filles qui se font engrosser dans la rue. Et on voit des enfants, de de la nature. Aujourd'hui, remercions Allah subhanahu wa C'est très rare de voir une fille qui est engrossée comme ça. Donc il y a une sensibilisation, tant du côté des ouvriers que du côté des parents. Allah a dit Nous devons remercier Allah subhanahu Nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être tous des saints. Il y aura toujours ces, ces machins-là. Il faut savoir comment les gérer. Voilà, voilà, exactement. Donc, euh, à mon avis, continuons toujours à prêcher, mais encore, quand on voit ce qui se passe alors tu disais ah. tantôt on euh, 2000 euh, dans une école, dans un... J'ai vu les statistiques là, hein. mais ce n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. Vraiment, je pense que... Ce n'est pas le cas, mhm. mais c'est comme s'il y a un début. Oui, mais alors maintenant, c'est à nous de ah, cest qui dit quand tu vois la barbe de, de ton il faut imbiber la tête. c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce que peut-être tout le monde regarde ah, ah, déjà euh, <laughs> combien l'effervescence, tout le monde, euh, le problème est tellement sérieux que ça intéresse tout le monde. Même ceux qui ne sont pas attentifs aux, vidéos, mais cela les interpelle des jeunes qui se marient, ça, ce n'est pas possible. Ils ne savent pas quelles sont les, ils ne savent pas quelles sont les conditions de la validité d'un mariage. Ça, ils ne le savent pas. Donc, ce mariage, en aucune façon, comme tu dis, il n'est pas valable. Mais maintenant, cherchons les voies et moyens pour que cela ne se répète pas. Quelqu'un a dit, mais si on est marie, ça risque d'avoir... Je fais la chronique. Oui. Donc je pense que s'il n'y a pas de témoignage des parents, le mariage n'est pas valable. Bon je pense que l'État aussi va prendre les dispositions pour que ces genre de situation n'arrive plus, tout à milieu scolaire. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Alors, mais qu'est-ce que vous pensez de la décision de la direction de cette école qui a renvoyé ces étudiants ou ces enfants-là C'est juste et c'est normal. C'est juste et normal. Oui, Pour faut donner l'exemple l'exemple pour que d'autres élèves n'emboîtent pas les pas. Voilà, vrai que c'est la qui doit éduquer à leur c'est Voilà, passer par les voies normales. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, vraiment, euh, on voit combien euh, c'est nouveau et ça, ça interpelle beaucoup de gens. Euh, les gens sont tout à fait surpris que des choses comme ça arrivent et surtout dans une ville comme Maradi. vraiment. Allô Oui oui, bonjour. Bonjour. Qui c'est l'appareil euh, Oui, c'est Mamadou. Ah, décidément, si c'est pas le même Mamadou, Ça fait le sixième Mamadou. Oui, on vous écoute. Donc, euh, je suis enseignant de formation. Oui. Et depuis euh, un certain temps, quand j'étais directeur dans une école, j'ai compris que la mauvaise fréquentation des filles intervient au CM2. Oui. Si vous pouvez arrêter les votes, les écouterons. Dans les campagnes, vous savez, les parents donnent trop d'importance au mariage. Dame. Et que la fille arrive à, cette, à cet âge un peu mature, il faut attention. Il préfère la retirer de l'école pour la marier. Pour la marier. Mais généralement, vous savez, les textes sont contre ça. Oui, les textes. Les textes. À l'école, on ne permet pas de retirer ta fille à cet âge-là pour la marier. On dit que c'est un peu prématuré, c'est très mauvais mm. mm-hmm. avec Alors euh, qu'on fait dans, la pratique, depuis, depuis 13 ans dans les villages, aujourd'hui même dans les grandes villes, dans les voies de, de 14 ans, ils connaissent bien euh, les hommes. Mm-hmm. Donc euh, aujourd'hui quand on regarde la proportion de, des, des enfants, des élèves, qui vont à l'école, des élèves de cet âge-là, la proportion est de plus en plus inquiétante. Tout à fait. Donc, euh, comme l'a dit votre euh, collègue de débat, mhm. est-ce que les désirs sexuels peut atteindre mm Je peux dire non. Bien sûr. Et pour parler maintenant au, à plusieurs de parce que les enfants, là, effectivement, ce qu'ils ont fait, euh, c'est pour expliquer un peu le problème. Ah, oui. Il y a une situation et là, la société ne, ne, ne cherche pas de solution. Mm -hmm. un pays musulman, pas laisser des gens et des enfants de 16, 18 ans, à 15 ans, qui ont atteint un certain âge mature, on va dire que pour raison de texte, pour raison de présentation, mm -hmm. on doit les laisser euh, se livrer euh, à des pratiques mm -hmm. injustes, mhm. Euh, autrement, mhm. notamment par, par, par, la débauche. Mhm. Il faut que la société, de manière générale, ensemble, et via les autorités vont passer pour vraiment prendre ce, euh, ce problème-là au sérieux. Mhm. Il faut créer un mécanisme qui puisse euh, permettre non seulement à la fille, à, l'âge de se marier, de pouvoir euh, le faire, mhm. et sans pour autant faire obstacle à son désir de continuer Tout à fait je crois que les textes, nous, on peut les faire, les textes, c'est nous, c'est les hommes qui le font. Oui. On ne peut pas importer des choses qui se passent ailleurs et on est grave sur notre culture. Bien sûr, c'est pas mal. transpose au Niger. <laughs> Et je dis que moi, ça m'a tellement frustré que certains élèves chez moi, des étudiants, des, élèves du lycée, pour leur dire, en fait, entre les on vous demande de prendre entre le mariage et un petit scolaire ou bien un diplôme assez avancé. Hmm. Qu'est-ce que vous pouvez choisir mhm. Le temps ne m'a pas permis de faire cette étude. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, une femme qui va à l'école, quel que soit son statut, et des femmes fonctionnent bien aisées, quand elle n'a pas de mari, elle ne sera pas à l'aise. Tout à fait. Donc le mariage, est vraiment, c'est notre culture c'est quelque chose qu'il euh, faut, prendre au sérieux. Bien sûr. Et bien, que l'école doit faire obstacle au mariage. Je dis non. L'école, le mariage, c'est la même chose. Mm Quand vous allez à l'école, c'est pour avoir un statut social. Mm -hmm. et, et, on a on va à l'abri de, de, certains besoins. Mm Eh bien, l'école c'est être à l'abri des besoins matériels. Et du mariage aussi, va te connaître, d'être à l'abri de certains qui avoir du karma. Tout à fait. Donc il faut concilier. Il faut concilier l'école et, le mariage. Parce que vraiment toute cette bande de jeunesse qu'on voit aujourd'hui dans la rue, bien dit, en tout chaque fois à mon service, je vois le peu de filles que je vois dans la rue là, je bâtis toute inquiétude de la jeunesse difficiles elles ne pas atteindre euh, le temps que toi, Marie, vont trouver le moyen de satisfaire autrement. Mm -hmm. Autrement dit, on encourage la bébé. Mm -hmm. il faut qu'on arrête vraiment. Euh, Alors, euh, il y a quelque chose à dire. Mhm. Vous voyez, la dentition n'a pas d'âge. Mhm. Il y a des enfants à 4 mois déjà, mhm. la dentition commence. Et vice-versa.

Mais moi je pense que pour euh, se marier, il y a des il y a des femmes qui vont remplir leur pas. C'est pour ça que remplir pour se marier. Voilà, de façon, pas de façon islamique. Mais il faut que les, euh, les élèves en fassent. Moi je pense que le mariage n'est pas concerné. parce que quand on marie avec des enfants, mhm. il y a des parents. Mm -hmm. Donc je pense que c'est là, et je suis là, ils sont renvoyés là. Les parents doivent s'expliquer pour pouvoir le marier et le réfléchir. Alors, parce que c'est mieux que les gars soient avec la fille.

atteindre la puberté, il n'y a pas un âge fixe. Donc, celui-là qui a atteint la puberté, vous lui dites de ne pas se marier. C'est de l'injustice. Vous voyez, il y a des femmes qu'on appelle des femmes patapoutou, les femmes grosses Vous allez voir certaines femmes qui, 10 ans, 11 ans, c'est comme si elles sont des grand-mères. C'est là, des fois même, pour trouver euh, un célibataire de son âge pour, pour la prendre en mariage, c'est difficile. Des fois, on dit que bon, toi, il te faut euh, un, sage, un vieux, à bah, vu ta corpulence, voilà, voilà, voilà, voilà. Mais quand ça, là, ça va continuer, voilà, tant qu'il n'y a pas tel âge, de ne te marier, moi, je trouve que c'est de l'injustice ce que l'islam a dit pour se marier, vous avez atteint l'âge. Et l'islam dit Ya ma'ashar shabab, man minkum al Ici c'est-à-dire celui qui a la capacité a été défini en trois points. Capacité physique, capacité morale et capacité financière. Et le problème est résolu. Voilà, le problème est résolu. Euh, nous voyons combien ce problème de mariage de façon générale n'est pas une chose facile. Euh, Alhamdulillah, notre société est basée sur des principes euh, religieux, donc tous nos efforts vont faire euh, la recherche de cette conformité. Mais nous ne vivons pas en autarcie. Nous vivons dans un monde tumultueux où on nous fait, nous sommes envahis par des messages qui nous viennent d'ailleurs, mais aujourd'hui, nous pensons que ce qu'il y a lieu de faire, on signale qu'il nous reste 3 minutes, il euh, y a quelqu'un Oui, allô, on va prendre le dernier intervenant. Allô Allô Allô, il n'y a personne. Donc, nous voyons que c'est un problème complexe. Oui, allô Et euh, Vous n'avez pas parlé de l'aspect condition. De Allô Oui, on appelle la Allô Le monsieur là, quand il va épouser la femme là, oui. à cette condition, c'est-à-dire avec quoi il va nourrir sa femme. C'est pour ça qu'on m'a dit tout à l'heure, que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam c'est avoir la capacité et eh, la capacité a été définie en trois points capacité morale, capacité physique et capacité financière. On ne doit pas être un fou et on doit, capable, on doit être capable d'entretenir sexuellement sa femme mhm. et avoir la capacité financière encore pour l'entretenir. Voilà, alors le problème qu'il pose, c'est mhm. cet là comment va-t-il se Mais dans ce cas-là, ici, on a dit que déjà, eux, ils ne sont pas dans ces conditions-là. Voilà. Alors, euh, <laughs> Vraiment, le débat est assez passionnant et on nous signale qu'il est là. Nous voyons que le problème. C'est pas le problème. Avec on de la femme là, avec quoi elle va nourrir la femme Oui, il a déjà, il a déjà que ça va être difficile pour lui. Voilà. Donc, euh, il est l'heure. Euh, nous allons nous arrêter là le problème est tellement sérieux, le problème du mariage. Moi, c'est déjà remarqué, Amir, mhm. ici au Niger, on dirait qu'on nous empêche mhm. de vivre notre islam. Mhm. Moi, c'est ce que je vois. Les marabouts font de leur mieux pour que voilà le chemin à suivre. Et quelque part, il y a des gens qui disent non, ne suivez pas. C'est là où se trouve le problème. Voilà. Alors, le problème de, je ne sais pas, de la scolarisation de la fille de façon générale. Nous savons que les nouvelles autorités ont promis qu'elles euh, feraient ou qu'elles euh, euh, organiseraient des, internats où les filles donc sûrement seraient internées et qu'elles seraient beaucoup plus protégées. Mais enfin, tout ça, nous allons voir. Mais l'un dans l'autre, le problème du mariage, le problème des sentiments, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué il n'y a pas une solution 4 plus 4 égale 8. Donc je crois qu'il faut faire des deux pour retrouver les 8 là. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que les prochains débats et que les interpellations des éléments, de l'autorité, des parents euh, fassent tâche d'huile afin que nous continuions à vivre notre islamité comme tu dis. Notre souci est de vivre notre islamité et comme laisse le vivre. C'est ça notre raison de, vivre d'ici. Et tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous disions ici. Nous remercions tous ceux qui ont intervenu, afin, qui, donc, qui ont participé à ce débat. Qu'Allah les, les récompenses euh, Abdel Fattah, tu nous clôt euh, ce débat. Par... اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا أنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 للما إن شاء الله sera rediffusé les jeudis à partir de 17h30 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا